PASA Makaf, projet bu mel noonu ki pour cette formation avons fait 22 ouvrages à café. le Papil a fait ay ouvrages le Barbafort avait fait defaroon ouvrages donc au niveau du ministère de l'agriculture, si nous projet yi si zone d'intervention, avons yi ne dañuy ouvrages de retenue pour inondation yi mbañ faa am Et pour l'irrigation. irrigation quant à l'inondation, c'est le ministère de ministère de l'eau et de l'assainissement qui gère, koy gérer de ngeen li ministre à notre niveau on intègre ce document de planification parce que dans le niveau du gouvernement il y a une solidarité dafa am solidarité gouvernementale La solidarité gouvernementale si bu document est sectoriel yi dégg ngeen ministre bi wax ñu bari a Donc, day ñëw ba si donc ñun dynamique lañ ne c'est suñu projet de délégation, dañuy defar ay ouvrage pour mën a retenir ndox mi xam naa le PASA dina si ñëw si ouvrage yi ñu def seen njariñ euh, au niveau des zones d'intervention